bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans les maîtres du jeu. Vous le savez, nous abordons la dernière ligne droite de la saison 2018-2019 et les maîtres du jeu s'invitent ici à Bruges, en région flamande, chef-lieu et plus grande ville euh, de la province en Flandre occidentale. Il a été élu meilleur joueur de son club euh, durant le mois de mars. Il a entraîné ses deux premières sélections en équipe nationale avec des prestations plutôt encourageantes. On peut dire que tout va bien pour euh, donc lui en ce moment. Vous l'aurez compris, nous sommes ici à la rencontre de Crépin Diata dans un document exclusif euh, des maîtres du jeu. Nous allons vous proposer de découvrir sa vie ici donc à Bruges. Nous sommes derrière la cathédrale Saint-Salvador et c'est avec un grand plaisir qu'on le reçoit. Bonjour Crépin. Bonjour. Ma. Comment ça va Ça va bien. Comment vous appréciez la ville de Bruges Ouais, comme vous le voyez, c'est une ville immense. vraiment, c'est une ville que j'aime bien. Donc c'est un plaisir de vous avoir ici et de vous montrer quelques trucs ici à Bruise. Euh, et puis euh, vraiment je suis content de, de, vous, voir ici. Alors Crépin, on va y aller, hein. l'aventure commence maintenant. Vous le savez, les maîtres du jeu c'est Hamza Diallo, c'est Mamfatou Et aujourd'hui, Crépin Diata. C'est parti. C'est parti, je vais vous montrer un peu la ville. Voilà, vous venez de découvrir euh, la carte postale de la ville de Bruges, une ville euh, fréquentée et aimée par les touristes. On en donc parle comme euh, la Venise du Nord. On va maintenant aller au centre d'entraînement, mais dans le centre d'entraînement, en fait, est apposé aussi le stade Yann Bredel. Et donc, on va tout de suite découvrir la prochaine étape des maîtres du jeu. C'est parti n'avez pas encore le permis Ouais, j'ai pas encore le permis parce que ici, c'est un peu difficile de, le faire. Donc voilà. Mais bon, je suis dans, la, dans cette logique, mm. comme euh, beaucoup de joueurs ici étrangers qui ont aussi ce problème. Euh, il y a aussi Wesley qui se fait conduire euh, et pas mal d'autres. Mm. Donc voilà, espérons que je vais l'avoir bientôt. Vous, y pensez Vous avez commencé à passer le code, pas encore oh, pas encore, pas encore, mais là, je pense que je vais, je vais le commencer euh, dans pas longtemps. Ok. dites-moi, euh, qu'est-ce que ça fait quand même de, savoir qu'on évolue dans, le club où il n'y a pas eu à jouer un joueur comme, euh, comme Fadiga Est-ce que vous le saviez déjà d'ailleurs Non, je ne le, savais pas avant d'avoir signé. Ok. Donc c'est par la suite que j'ai eu des échos, soi-disant que Fadiga il a joué ici. Mm c'est une très bonne chose pour moi de savoir qu'un icône du football sénégalais est passé par là. Mm. Donc, moi, euh, je sais qu'il est beaucoup aimé ici. Tout le monde me parle euh, toujours de lui. Mm. Donc, euh, c'est un peu le chouchou du, public brugeois. Donc les gens l'aiment bien, hein, Fadiga les, gens l'aiment bien ici. parce que tout le temps, quand ils me, demandent tu es quoi, je lui dis je suis sénégalais, ils me disent ah, Fadiga. Okay. Donc, voilà, Et puis il y a son fils aussi qui est évolue dans le club. Il y a son euh, fils qui est, avec moi, qui est avec euh, maintenant, qui est venu avec euh, l'équipe professionnelle. Ok. Depuis deux mois comme ça. Donc voilà c'est une très bonne, très, très bonne, chose. Euh, vous avez eu l'occasion de vous rencontrer euh, ici, de discuter, d'échanger. On euh, on parle tout le temps au vestiaire, on est tout le temps ensemble. Donc voilà, c'est un frère. Hmm. Donc c'est un bon gars et puis voilà, je suis très content de l'avoir aussi euh, à mes côtés. Très bien. Alors, dans quelques instants, donc, on se retrouve euh, au stade de Yann Bredel, mais comme vous le savez, nous avons eu aussi l'occasion euh, d'aller voir Crépin au niveau donc, de Genk, avec un match très important entre Genk et Bruges, un match malheureusement perdu, mais je vous propose donc perdu par les Brugeois 3 <laughs> à 1, mais je vous propose de revoir les temps forts de cette rencontre, l'ambiance, l'échauffement de bien sûr euh, Crépin et de ses coéquipiers et quelques témoignages sur place. Et dans quelques instants, on se retrouve à Yann Bredel au stade de Bruges. Je pense que à Bruges, c'est un, joueur sur qui l'entraîneur compte parce que vous avez un système de jeu qui a été établi par ce coach et qui compte beaucoup sur les joueurs de côté. Et quand vous voyez Bruges d'aujourd'hui qui peut être champion, euh, c'est grâce à Crépin sur le côté droit et vous avez sur l'autre côté Denis ou Danjouma. Et vous avez des joueurs qui sont très sollicités. Quand on regarde les deux autres joueurs qui jouent à leur poste, il n'y a que des grands noms qui sont intéressés par eux. Et par rapport à l'apport de, Crépin, il est il est très important dans la percussion, dans sa manière de créer la supériorité numérique par rapport à l'autre équipe. Et offensivement, vous avez, vous avez de la qualité. Et ça, c'est très important. Et je pense que pour nous, les Sénégalais, le fait de le voir dans cette équipe de nationale, ça peut apporter un plus. Et ça peut libérer aussi les autres offensifs parce qu'il a un style un peu différent des autres. Well, I think he's a, a great talent. Um, he has a lot of speed, action. Um, he's good dribbler. So I think. Um, He can improve more, uh, but he's doing well this playoffs. I think to make uh, good decisions, uh, one time go outside, when to come inside, when to give cross, when to finish himself the action. So I think uh, those decisions are uh, he can make, and I think he can improve. He's young, so uh, I think he can he can be better. And he's a player with a lot of actions, I think, and with a lot of speed. I think he make a lot of progress in the last year because last year was a little bit he was injured and then he come back after his injury and then he show his quality I think uh, that he's good in one against one and have a lot of speed and I think that's why they select him from the for the national Quand il est arrivé dans ce club, c'était pas assez facile pour lui. Il a su gagner sa place, gagner en rentrant dans un autre système parce que ici l'entraîneur joue à trois derrière et il y a des joueurs de côté. Vu que c'est un milieu excentré qui joue sur le côté, il a pu profiter de ça. Et aujourd'hui, il est devenu un joueur important dans le système de base. Donc, il arrive que l'entraîneur change en milieu de match et qu'il est un peu plus haut. Je pense que notre system est très very good as a wingback. J'aime I like to play with him on I think our connection is, is good. So um, for me, it's uh, it's perfect to have a player like uh, Crepin on, on, the side, and I hope we can uh, play a little bit longer together. oui, il a appris à, défendre, et je pense que pour lui, c'est très intéressant de se retrouver là. Après, je pense qu'en équipe nationale, la manière qu'il va être utilisé ou qu'il est utilisé est un peu différente. Mais moi, personnellement, je pense qu'il a les qualités pour le faire et il peut apporter un plus. Now I'm playing already like seven games, eight games together, and then you feel like the connection uh, connection is getting Yeah, it's coming, getting better and better, and uh, I hope. Uh, we can help each other in the future. Quand on entend l'équipe nationale chez nous, on parle beaucoup de Sadio Mané. Et quand vous avez un jeune joueur comme Crépin à côté, ça peut aussi créer de l'espace, ça peut aussi libérer parce que lui, il est capable de percuter, il est capable de faire la différence. Et je pense qu'il y en a plein d'autres offensivement qui peuvent le faire. Euh, qui peuvent le faire. Donc Crépin est quelqu'un de très intéressant euh, pour Bruges et aussi pour, pour le Sénégal. I saw his feeling already after the game. I saw one video on Instagram. He was dancing, enjoying. I speak with him about his family. And when you see your family back after a long time, then you can come back with a little bit power and yeah, positive yeah, energy, I think. And uh, that I hope it can help him. le stade. Super. Voir un peu les installations aussi. Ok. C'est l'entrée. Voilà, avec euh, la photo des supporters. Et aussi, euh, voilà, là c'est la photo de l'année dernière quand on a été champion. Ah, cool, c'est vrai. Voilà la photo. Donc une saison, un titre. Ouais, une saison, un titre. Euh, Bon, je dirais deux, comme j'ai gagné la Super Coupe aussi. Ok, ouais. En plus, ce stade, ce qui est un peu particulier, c'est que je pense qu'il y a un autre club qui y joue aussi. Ouais, il y a un autre club, euh, donc on partage le, stade avec euh, nos voisins du Cercle Bruges. Mhm. Donc voilà, c'est toujours euh, une grande ferveur quand on joue avec cette équipe. donc c'est le derby. Ok, le derby de Bruges. Ouais, le derby de Bruges, c'est souvent des masses tendues, mais <laughs> voilà. faut gérer quoi. Il faut gérer, c'est comme ça. Tout à fait. Chaque fois, les derbys, c'est un peu difficile, mais il faut savoir gérer, comme vous le dites. Tout à fait. Et là, il y a la photo de euh, pas mal de joueurs, euh, le président, tous, hmm. tous les gens qui travaillent ici. D'accord, ok. Voilà, il y a certaines photos qui sont là. Très bien. Donc voilà, ici, euh, tu verras ce que c'est euh, le stade euh, du club. voilà, à travers ici, tu verras. C'est super joli. Oui, c'est super joli. Tu vois tout Il y a combien de euh, places, vous savez Il y a 28 000 places, je pense. 28 000 places, oui. avec une ambiance. Avec une ambiance fou. <laughs> c'est ici que tout se passe. Ici commencent les performances et tout quoi qu'on dise aussi, le football c'est un jeu de plaisir, donc il faut, prendre du plaisir. D'abord toi et après euh, les autres. Mais euh, à côté de ce plaisir, il y a aussi les risques du métier. Je pense que pour Crépa, euh, ça a été deux coups, durs avec deux blessures et une fracture au poignet, c'est ça Ouais, une fracture au poignet au mois de juin, premier match. Finale de Supercoupe. Finale ça de Supercoupe. 72e minute, je sors du stade par, une fracture à la main. Mhm. Donc euh, c'était très difficile pour moi euh, en ce moment parce que déjà on menait deux buts à un mhm. on a pu remporter ce, ce trophée, mais donc j'ai pas pu savourer parce que ça m'a trouvé à l'hôpital. Certains parlaient euh, de, commotion cérébrale. Hein. Ouais, <laughs> certains parlaient au, Sénégal de commotion cérébrale. Euh, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont dit ça. Donc c'était vraiment difficile. Mais bon, euh, on rend grâce à Dieu. Et, le deuxième gros coup dur, c'est aussi voilà, en Ligue des Champions contre Monaco. premier match, je pense, première titularisation et malheureusement là aussi blessure des, aux ischio-jambiers, c'est ça Ouais, oui, comme vous le dites, euh, je suis revenu euh, de blessure de la fracture euh, à la main. Mhm. là, j'ai joué trois matchs de deux matchs de championnat et puis joué contre Monaco ici. Je suis rentré en deuxième mi-temps. Mhm. Et puis par la suite, la semaine qui, précède, suis parti, on est parti à Monaco. J'ai débuté le match. Et cinq minutes après, j'ai reçu une blessure à nouveau aux issues qui m'a encore éloigné des terrains. C'était un moment très difficile pour moi, mais bon, j'avais eu aussi euh, le soutien de tout le monde ici au club, de ma famille. C'est ce qui m'a permis de revenir encore plus fort et se dire que je, reviendrai encore plus fort et puis euh, je, vais, je vais tout faire pour euh, faire plaisir aux gens qui attendent oh, beaucoup de moi, qui oh, croient en moi. Tout à fait. Et puis euh, aujourd'hui, on peut dire que Dieu merci, vous commencez à retrouver du rythme. Euh, j'ai regardé un peu vos, stats, c'est quand même 13 matchs de jouer hein, sur euh, le championnat régulier, les matchs de playoff aussi, 4 sur 4. Donc pour un joueur, c'est important d'avoir le rythme. Ça, c'est essentiel. Oui, ça, c'est essentiel parce que je pense que pour un joueur, tu dois toujours, un joueur, il a toujours envie de jouer. Mhm. Donc, c'est en jouant que tu retrouves le rythme et euh, tu peux perforer sur tes performances. Mm. Donc voilà, je suis revenu. Quand je suis revenu, je suis en train de faire de très très très bonnes choses. Mm. Donc voilà, je me suis dit que c'est l'objectif pour moi. L'objectif est de jouer et de faire de très grandes prestations. Puis, euh, le maximum de matchs. le maximum de matchs, car euh, c'est la chose qui est la plus importante. La 4G est arrivée la 4G+, c'est l'innovation d'Orange qui va te décoiffer. Orange s'engage à vous faire vivre une expérience Internet mobile hors du commun, avec l'arrivée en exclusivité de la 4G+, au Sénégal. La 4G+, d'Orange, c'est une connexion Internet deux fois plus rapide que celle de la 4G, sur le meilleur réseau du Sénégal. Pour en profiter, c'est simple. Il suffit d'avoir une puce 4G d'Orange, être dans une zone couverte et avoir un téléphone compatible. Si vous avez encore une puce 3G, rendez-vous en agence pour la changer gratuitement et vivre une expérience hors du commun. Pour jouer, regardez vos vidéos et partagez votre musique avec la 4G puce d'Orange dans votre mobile. Pour plus d'infos, rendez-vous sur orangesangage.sm. du jeu pour terminer euh, donc en beauté. J'espère que vous aurez passé de bons moments avec nous, terminer en beauté cette émission avec Crépin. Euh, comme nous avons fait ça, on se pose, nous wartan, donc échanger, nous avons fait pour gën ko encore une fois Crépin nous les lay remercier ci ni ñu dalalee ci Bruges euh, on a pu visiter un peu on a vu euh, comment ça se passait au niveau de la ville, aussi au niveau des installations de, l'équipe. Et donc euh, maintenant, on est ici pour un peu discuter euh, voilà, de, de tout cela, de ta carrière, de tes débuts, etc. Mais surtout, man, ce que je voulais un petit blessure, qui est gak gakal depuis que Bruges. Il point bi nga souvent des indi discussion au Sénégal ñu les Crépin latéral les football <laughs> défenseur <laughs> est-ce que Crépin euh, ex Crépin milieu de terrain alors ah. comment ça se fait que aujourd'hui on n'arrive pas à savoir fan le Crépin du football qui terrain bi voilà lu bon di len wa ngeen dal ak jamm mm-hmm. d'abord et puis man ma man ma len gëna content man mi e, yeen mi joggé depuis Sénégal ñeu def mm-hmm. déplacement bi mm-hmm. je pense que man e, ma e, len wara remercier man lima def moy ku nekk tamit loola mën a def tamit quoi c'est bon leen déplacé aussi man dama leen war a recevoir loolu mooy loolu mooy yoon parce que lu gën a métti ngeen def man fii ngeen ma fekk belgique donc lépp yéen la quoi. Mhm. bon di ñëwaat aussi si question bi parce que gis naa ñu bëri dañ ci dañ ciy commenté. ñenn ñi mhm. naan latéral la léegi. <laughs> mais bon xamuñu aussi ni système bu ñuy joué on joue avec euh, ñetti défenseur la ñuy joué si ginnaaw ak cinq milieu terrain ñaari attaquant donc mhm. voilà loolu loolu moo waral. bu ñuy bu ñuy attaqué côté droit bi te man ma ne côté gauche dama war a replier wu parce que ah, sinon boo xoolee day am manquement mënuñu défendre à trois. Hmm. donc ñun milieu terrain yi nga xam ne ñoo nekk si côté bi. Hmm. ñun one est des excentrés mais des milieux excentrés. mais gars yi dañ ñuy dañ ñuy permettre ñun mi nekk si côté ñuy hmm. def les tâches défensives quoi. donc pouvoir Parce que, combler en fait, vous avez un coach boo a amené au niveau de Bruges système Bob lay joué depuis daaw. voilà Et va leen permettre je pense avez gagné ça, le titre de champion de Belgique. voilà donc on ne euh, change pas un système. qui gagne voilà mu ngi noonu ñu bëri na comprendre ñu ko noonu euh, man su ma sañoon fekkoon man kese kese que j'aurais mm. joué au milieu. ok damay bëgg jouer au milieu parce que j'ai été formé comme euh, milieu terrain j'ai ma formé. Mm-hmm. Avec excentré donc c'est les deux postes yoo xam ne moom laa moom donné doon gën a football depuis may nekk xale donc euh, voilà tam bu ñu ñëwee ba tey ñu euh, fekk fa système bo xamné depuis daaw mom la joué jël championnat bi donc c'est pas évident mu euh, ñëwaat diko changer lolu mom je pense pas dina benen beneen bu koy def donc comme gagné na championnat bi mu dugal na ci bopam ni ah lii donc moy lu gën li moy li moy sama système li mm. si li laay donc mm. ñun amuñu lu dul adapté aussi parce que joueur xamoo fan ngay mujj. Mhm. munoo ñëw naan lii ak lii ak lii nga ji xamoo suba fi ngay dem. xamoo li ils fay fekk. puis xamoo tamit euh, luy ñëw ci kanam quoi. donc et puis ci waxtaan xamal nga ma que quand tu jouais euh, en U17 parce que ñu bëri Sénégal même man bi ma lay xam ak coupe du monde U20 bi ak coupe d'Afrique U20 bi laa la découvrir. mais j'ai appris que tu as joué avec les U17 et à l'époque tu jouais comme excentré waaw loolu la moo la comme ni ma ko ñu ni euh, ñu parce que Coupe d'Afrique U20 la. Mm. ak euh, mondial U20 donc mm. voilà foofu Sénégal yi commencé ma mm-hmm. mais ma j'ai presque fait toutes les petites catégories donc joué naa U17 laa commencé. Mm. mu ngi may sélection joué qualification les éliminatoires. Mm-hmm joué contre Togo aller comme retour es excentré la donzé. donc euh, voilà mon club 10 là parfois ma alterné joué excentré mais moi, je suis équipe nationale dañ ma joué mais voilà nous avons nag xamewuñu mais euh, faire un peu le parallèle c'est-à-dire. comme le système à trois défenseurs donc les milieux excentrés sont obligés de se replier sur les phases défensives mais si physiquement est-ce que c'est éprouvant est-ce que nous voyons aussi ce qui se allant vers l'offensive non mais c'est sûr c'est sûr que dina dina c'est lu bari, dina wàññi lu bari si si loolu parce que bo gissé kilomètres yi ñi par match c'est énorme ay km, 12 km kilomètres def donc euh, dafa bari dafa mm, mm. donc voilà système système bi moko laaj bon aussi on travaille physiquement aussi pour ça pour mm-hmm. pouvoir le faire mm-hmm donc dafa gis ni ñun euh, on <laughs> ñun ñoo gëna mëna def parce que donc am nañu vitesse bi am nañu aussi euh, repli bi mhm. donc voilà alors Sénégal aussi euh, ñëw enfin cette sélection en équipe A comment tu as vécu tout le bruit autour de toi dañ ko wara wo ko bon il y a eu voilà des des des phrases des sorties des uns et des autres bon est-ce que impatient ou wala xamone que quand même yagatul non moi man suis euh, bon je aussi di ñu de xam bok xam nañ ni du nit quoi genre affaire hmm. donc mais quoi objectif c'est mon objectif man je suis toujours comme ça Je suis toujours atteindre ça. Je suis toujours quand ça. parce que à chaque fois je yi. Mhm. il est jeune mhm. bon man man suis toujours dans mon coin man suis comme mel Je suis mhm. sama coin di parce que comme ni ko ñi donc voilà je pense que moment bi bon voilà et puis à mon c'est satisfaction satisfaction bourré. Tu es aussi content, ça Euh, sama sama famille content nañ aussi. Mm-hmm. donc euh, c'était le rêve euh, li ma y rêve rêvé parce que mm. man dama je rêve rêvé jouer équipe nationale et puis mm. jouer en équipe nationale première loolu dama ko mës a rêve même mm. depuis tout petit. donc je me disais que man un jour je dois représenter mon pays. Non, non, non, c'est dynamique Bob et demain quoi. Mais moi j'étais confiant, j'étais confiant ni tôt ou tard je me disais que tôt ou tard. ça ma xawma kañ mais équipe nationale a ah, dinaa fa dégg sama m'attend voilà maintenant que nous avons la sélection nga joué deux matchs euh, dont le premier en tant que titulaire moi le match bi contre Madagascar li observateur yi peut-être des nga Moi, je lañ lay yeggee rek mooy ni que match intéressant notamment ci li nga souvent mon xaw au manqué Sénégal un milieu euh, milieu qui casse les lignes qui arrive euh, à éliminer en un contre un euh, bon contre le Mali aussi Ngodougat. y mu neex yow ak Sadio retrouvante bon finalement égalisation bi ak bon avec le recul il y a cette prestation. nga ko nan bon comme nous avons dit, bon ñu gis commentaires yi appels ni di ma félicité ni di ma gën a ñaaxaat mais bon man damay chaque fois li may def rek damay naan euh, defuma dara donc euh, li su ma sañoon def loo xam ne du ëpp li te mm-hmm. lolo tamay liggéey mm-hmm. donc euh, du ma je vais pas me fier sur ces sur ces prestations là mm-hmm. parce que dama war a gën a yokk lu bëree bëree bëree bëree parce que ñu may xaar dañoo bëri donc man sama ñu nekk sama ginnaaw rek di ma pousse di ma conseiller di ma wàllu nekk waaw donc ñooñu rek tànn nañu ba tey saa yu ma ñu waree ñëw sélection di pour jouer euh, sol sama maillot dëkk. Mhm. damay am fierté bu rëy rëy rëy rëy. comment tu t'es senti avec euh, justement dans le jeu parce que yaa ngi doon soog a jouer ak gars yi donc euh, forcément dina am temps d'adaptation nan nga sentirez équipe bi li ngeen est-ce que tu penses que ni euh, voilà c'était agréable nan nga ko quoi. bon sama moy euh, c'est comme mes premiers jours d'entraînement rek premier jour mais ñëw entraîner avec équipe bi gis équipe bi ñuy ñuy footballer mais man mi dama né non mais c'est pas possible parce que dama tok xam nga d'après ni ma doon jouer mais mu ngi melni euh, sama adaptation bi dafa gën a gaaw dafa gën gaaw ak ñom dama doon jouer ak ñom mu melni

donc si temps bu gàtt bu ma doon def ak ñoom dama doon jàng chaque fois ak mhm. ñoom dama mhm. doon jàng lu bëri mhm. parce que tey ay joueurs yu expérimenté lañu donc ñoo ma jiitu si lii euh, man su ma ñëwee tey dama war a ñëw jàng si si ñoom parce que man loolu mooy sama objectif pour le moment dama ñëw pour jàng lu bëri si ñoom parce que ñoom ñoo ma mën a woon yoon bi donc sama intégration dañ ko dañ ma ko faciliter parce que bu ma ñëwee bon gars dañ ma doon japp kanja gauche à droite. Mm. xam nga intégration bi jàll. vite fait mu mel ni damaa yàgg ak ñoom quoi. donc loolu taxaw na ba ma gën a libéré wu parce que euh, man je suis quelqu'un qui est qui est timide ñu bëri loolu dañ koy wax dama timide mais bon bu ma ñëwee nga ubbil ma sa bunt rek jeex na man noonu laa mel. ba ma ubbilee sa bunt rek jeex na. mais premier match bi biñ la ne da ngay titulaire bi ngay dugg ci terrain bi dégg nga quand même sa xol bi def na bët bët bët xaw nga tiit. waaw mais. <laughs> comme euh, bu ñu doon entraîné entraîné ba vee bi ma xool équipe bi à chaque fois ma nekk si équipe bi bon je me suis dit mais man ma ne non mais c'est pas possible man du ma ne man match bi dama war a débuter match bi nii. Euh. donc là amoon naa bon amoon naa pression mais pression pression bi dama ko jël de côté positif quoi. dama ko jël teg ko sama côté positif parce que bon pression du ñàkk quoi. du ñàkk benn jour de l'année du am pression mais chaque fois boo ko jëlee teg ko sa côté positif rek. Mhm. donc war war na mën a jàll quoi parce que man noonu laa ko jëlee au début bu ma déggee affaire bi bu ma commencé sentir ni fii damay démarrer mm. bon sama fit bi tooguloon maa <laughs> ngi naan ne mais man uh-huh. bon aw ma droit à l'erreur quoi war naa def lépp war mm. naa def lépp li ma mën te uh-huh. war naa ko wone parce que ko c'est pas donné à n'importe qui quoi. Mhm. bon wax y a beaucoup de choses à améliorer c'est normal la euh, première sélection là. donc on euh, a peut-être avec le temps d'une ko euh, Mais il y a aussi des échéances Il y a aussi peut-être que le coach bi def choix wu titulariser tout de suite parce que dafa am une épreuve bu Coupe d'Afrique des Nations et comme on dit il y a 23 joueurs qui devront être sélectionnés sur 15 millions de Sénégalais. Euh, l'ol aussi day nek échéance buy waaj a bo xamné sûrement mi ngi sa bop pour yegg ci peut-être il faudra nga prouver déjà en championnat. ouais comme nous le ko je pense que loolu tamé joué na si xamna bon convoqué na ma bëgg na bëgg na ma xol donc euh, té en plus nekkoon période yo xamné déjà Sénégal qualifié il y avait pas danger mm. donc je pensais que euh, moi il s'est dit dans sa tête que c'est le moment ou jamais donc. Mm il ma titulariser ko. xool euh, xool ko bu baax. donc mhm. voilà quoi comme ni nga dans Coupe d'Afrique Afrique la ñu te Coupe d'Afrique, euh, bon sénégalais yëpp dañoo am Amiakar si chaque fois bu équipe bi di dem Coupe d'Afrique Afrique ñëpp dañ si am yaakaar. Mhm. donc euh, tey dafa di loo xam ne jour bu nekk loolu ñaan quoi joué naa ay CAN CAN junior. Mhm. joué naa Coupe du monde junior donc euh, suma amé amee chance jouer CAN senior lolu lolu lu la comme mo ma koy mm. chaque fois mm-hmm. mais lépp euh, day des si samay performance en club man ma wara gëna gën rek mm-hmm. parce que tay suma si bëgg suma bëggé dem si Coupe d'Afrique bi du ma si du ma fiyew ci sama ñaari sélection yu ma yu ma ñëw dama wara gëna prouver gëna a performance yi mm-hmm. donc lolu moom ma war a andi équipe nationale alors damay def la transition entre <coughs> parlons quand même de cette génération mon am yéen la Crépin wax nga ko tout à l'heure Moussa Wagé Ismaïla Sarr def ngeen fi U20 yi dem ngeen coupe du monde donc euh, jeune pousse bobu ak talent yi fi nekkoon Sénégal machallah amna ay joueurs fi mu ni c'est pas ça qui nous manque en fait. non non non non parce que comme ni nga ko waxee loolu moom man ñu am euh, ñu am manquement parce que tay dañoo yor euh, ay avenir yu yu rëy rëy donc je pense que le Sénégal comme ni mu ko waxee dëkk football la te bëri nañu ay jeunes joueurs. Mhm. yoo xam ne tey mun nañu compter si ñoom ëllëg quoi. Mhm. bëri nañ dañoo bëri donc voilà loolu chance la chance la boo xam ne ñun am nañ ko. Mhm. Sénégal nañ si sant yàlla bu baax a en plus euh, ñun joueurs yi aussi ñun ñooy gën a góorgóorlu xam ni on est appelé demain à être euh, les leaders euh, de notre pays de de de l'équipe nationale. donc fu mu nekk on est en en temps d'apprentissage donc euh, ñu ngi jang mhm. mais dina am fu ñuy tollu dëkk bi yëpp euh, dinañu soxla comme ni nga ko mhm. waaye ñun mhm. donc c'est le moment ñu acquérir expérience ba keroog ñuy gën a am taxawaay dëgg dëgg dëgg pour mën a yóbbu équipe bi fu sore fu ko sénégalais di xaar quoi donc je pense que baa ñu ñëw mën nañ ci mën nañ ci am yaakaar Sénégal favori la certes am na ñeneen mais voilà quoi compétition la quoi compétition là comme euh, tey dinañu tànn comme favori c'est très normal aussi parce mhm. que jot nañ fi def ay échéances donc voilà dem nañ coupe du monde ñep gis nañ équipe bi donc ñu bari mhm. xam nañ ñan ñoy Sénégal quoi donc ñun kenn ñu présenter mais bon bo xolé aussi suñu lu nek suñu ginaaw lu mhm. sénégalais di xaar dafa rëy chaque fois dañuy yor ay joueurs dañuy yor équipe mais bon am na lu bëri loo xam ne loolu la Sénégalais yi nekk di xaar. Mm-hmm. Mm-hmm. donc tey xam naa ni joueurs yi yëpp ils ont aussi euh, ils aussi ça en tête. donc euh, bëgg nañ ko trop. boo ko xoolee si seen wax si seen jëfin. Mm-hmm. si seen comportement da ngay xam ne am nañ lu ñu bëgg a defaral Sénégal. donc comme ni ko ñi ñi di waxee rek loom propose Dieu dispose. donc ñun ay jaam lañu quoi dañuy sabablu rek. Mm. di ñaan yàlla may ñu aussi ndam ndam bu rey donc voilà na Sénégal yëpp nekk si ginnaaw équipe bi comme ni comme ni ñu si nekkee nii. Mm. je pense que bu ñu boolee xol yi boole xel yi. je pense que war na mën a nekk quoi. war na a nekk tout à fait alors euh, looloo transition bi ñu wax un peu si Krépin ay jaar-jaaram man voilà comme ni ma ko waxee sànq euh, coupe du monde coupe d'Afrique. U20 bi en 2017 si nous ñu après après une coupe du monde bon ñu éliminé en en huitième de finale mais sur ces deux compétitions Crépin a fait de, belles choses marqué des buts fait des passes décisives il faut que xamee ne ah, talent ben pépite bu euh, équipe nationale du Sénégal bi mais man bëggoon démarrage football je sais que tu es originaire de la région de Ziguinchor mais voilà tes premiers pas dans le foot est-ce que tu peux ñu bon donc voilà man maa ngi dëkk Ziguinchor euh, fa laa judo fa commencer commencé jouer depuis à l'âge de huit ans mais ngi maa ngi football bi donc nek na lo xamné c'est c'est un truc de gamin quoi dama ko dama ko dama ko yag bëgg mhm. parce que même parfois dama don tok sama pap mu ma koy rappeler dima nan naan bi ngay nek bi ngay nek xalé bu nga don ram bo gisee sa sa oncle yor ballon ça da ngay commencé jooy mhm. donc voilà <laughs> vraiment c'était très normal tay euh, nga doon jour bo nekkee jour dal ñun duñu ñu donc métti parce que moi amuloon. Mhm. football tànki neen daw feulé donc mhm. doo comprendre. mais bon par la suite. Euh, ya ngi doon jang en même temps. wa maa ngi doon jàng aussi maa ngi doon jàng parce que man sama papa euh, enseignant la. donc métti à un certain moment. Euh, continuer football bi jàng bi parce que nga rek doomu enseignant boo nekkee sa pap bu nekkee enseignant day bëgg moom fu mu si lu mu nekk yow nga jaar si yoon boobu noonu ah, ah. mais bon euh, mu jëwul demee noonu mais comme moom jot na aussi jouer sama pap jot na aussi jouer Donc, euh, heureusement, il m'a compris et il m'a laissé sur euh, ce que je voulais devenir. Particularité, moi aussi, tu n'es pas passé par les clubs traditionnels. Surtout qu'on est Ziguinchor, Diaro, par Casa Sport, par exemple, ça fait un peu bizarre. Comment tu retrouver en Norvège Bon, comme nous l'avons parce que euh, Casa Sport, nous ne connaissons pas, mais avant may dem Sandia parce que Casa Sport laa commencé si si cadets donc nekkoon naa fa bon entraînement yi di di yàgg may guddee yëg si kër ga. sama papa ne legi nekato di jang bla bla bla xam nga mi xol sama sama note école mu xam ni mu ne ma no da ngay arrêter parce que fu mu nek ni mom mono continuer mhm. mono continuer comme ça quoi à ce rythme là du dem duma duma d'accord ak yow man bañu ma ngay football mais boy football aussi dang si bolé jang bi donc fekke da nga commencer bëgg jël football bi tek ko au dessus duma si d'accord ak yow waaw okay.

donc comme on continue sama jang après si par la suite sama coach bi nga xamné moma moo yor depuis mai am 8 ans moo ma mm-hmm. formé moma jangal jàngal football. Mm-hmm. Euh, tey su ma nekkee li ni nekk nii ginnaaw yàlla moom la. Mm-hmm. Euh, mu ngi tuddu Brigal donc euh, mom ñep xam nañ ko Ziguinchor. Mm, actuellement c'est l'entraîneur de Zig Olympique bu Ziguinchor. donc voilà mom moom yor par la suite mom mu dem Santhiaba. mu yóbbu ma foofu donc bu ma yóbbee Santhiaba année bobu noonu ñu nekk champion régional bu Ziguinchor devant le Casasport en cadet donc euh, voilà par la suite je suis si sélection équipe nationale U17. donc si la dem U17 la euh, compétition bi bu ma dellu génération foot mhm. bon Olivier woo n'ama ma wax na ak sama pap mhm. wax na ak ñëpp. Mhm. ba man j'étais prêt pour euh, pour ma génération foot. ok par la suite Oslo ñëw donc commencé waa ak sama sama mentor bi. nga amené mom mhm. moma jangal football. Mhm. donc ñu trouver ay Accord, mhm. mais accords yooyu noonu nag lañuy ñuy trouver ma mujjee dem Oslo. donc sama pro c'est quoi c'est une académie de foot. Euh, académie de foot là, académie de foot là, bu nga xam Dakar la nekk. donc euh, ñëw na fo sama première année aussi ma nekk champion régional de Dakar. Euh, on joue en quelle catégorie En cadet. D'accord. En cadet. Donc après, par la suite, madame joué euh, avec euh, les sélections régionales. Donc, je suis capitaine sélection régionale pour Dakar aussi. Je mm. suis champion à nouveau. Après, si j'ai le meilleur joueur aussi, si tournoi à Bob, non, sélection I20. Par la suite, si la Dem Norvège, des fois, essai. Mm-hmm. Bon, ma suis le club bi dem Coupe d'Afrique ma dellu Coupe d'Afrique, je ma me rejoindre là après si la affaire est commencé quoi. et puis euh, en Norvège euh, en 8 mois nous jël le comme meilleur joueur du championnat norvégien. ouais en 8 mois je suis jël comme euh, meilleur jeune joueur du championnat norvégien. Mm-hmm. donc ma boxe, 11 types aussi. Mm-hmm. bon gagné quelques trophées individuels meilleur jeune joueur meilleur joueur élu par la presse norvégienne aussi donc l'adaptation euh, adaptation bi gaawoon quoi trop trop trop parce que en huit mois nga def ay performance yo xamné ne tek nañ donc euh, voilà il yi sont quoi. mais je pense que aussi liguey bi la waaw bi alors Crépin euh, peut-être ça c'est une petite parenthèse mais j'ai l'impression que le sud short la région du sud nous nous nous donne beaucoup de talent. Yangifi, oh. on a parlé de Moussa Wagé Aliou Badji aujourd'hui on parle par exemple d'un attaquant comme euh, Youssouf Badji nga nank-nank avec le Kaza il marque beaucoup de buts je ne parle pas de Sadio Mane, évidemment donc euh, c'est quoi c'est qu'il y a trop de joueurs il y a trop de jeunes joueurs comment ça se fait que y a autant de talent et temps de machallah oui comme Ninkova erek, parce que euh, le sud mom ko xam euh, ko xam euh, Casamance day ni football la. Mhm. donc ñi ñi bëgg football football il y a énormément de talent comme man le kay rek dem réalité di nga xam potentialité parce que. tey xaw na am benn boo gisee mu metti parce que amul noonu visibilité. par rapport au nord. genre affaire yooyu noonu. Mhm. visibilité bi dafa dafa xaaw manqué mais bon. il y énormément de talent loolu moom c'est sûr parce que gis nga ko comme ni ko waxee ñoom Sadio ñoom Diafra avons Papis Demba Sissé, ah, Stéphane Badji. il y a énormément, pour, pour, ne citer que ces, Bien sûr, gens-là, il y a d'autres, Koulim Djoum, les Aliou Badji, mm. euh, donc euh, les Youssoufa Badji, comme tu le disais, Jean-Jacques Ndeki, mm, tu vois. Nous mm, euh, avons ñoom tey Machallah, mais dans le football là. Ah, football ah. alors tes ambitions dans le foot Aliou Crépin pardon lan nga xam naa ni jéego yi mom amna na yu ñu def mais peut-être li ñew mo nar a dàq normalement donc euh, fan nga gis sa bop bon comme euh, comme joueur bu nek ah ku nek joueur bu nek day ñaan bu jouer aussi euh, euh, dem ci euh, dem ci euh, def ay niveau dem ci kaw yegg ci mm-hmm. niveau yo xam mm-hmm. fofu le joueur yi mag yi yegg tamit. Mm-hmm, donc man suis ñaan té ma je suis liggéey mhm. mhm. ma ngi liggéey bobu nonu y ñaan aussi sutural ma ma atteindre ma parce que mhm. dafa dama am ay objectif post personnel atteindre voilà alors euh, ngi yex émission en dehors du foot et en dehors de voilà des entraînements lan activités qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie de tous les jours bon mais activité euh, parfois bon ma gën dem resto resto moo xam naa ni moom miin naa ko <laughs> naa dem resto trop. Euh, aussi parfois ma dem cinéma. Euh, waaw. des fois sama sama xarit bi ñëw fi Jean-Jacques Ndekki comme Allemagne la nek donc sorante wuñu parfois bu ñu bu ma jouéwul aussi jouéwul day ñëw ñooy nekk fii donc parfois ñu dem ba Bruxelles waaw parce que am nañu suñu sœur bu fa bu fa dëkk euh, Madeleine diata donc euh, souvent fofu lañuy nek euh, kërëm lañuy dem sonal ko touti tuuti et puis jéem changer air aussi touti quoi tout à fait mais sinon récupération ngay privilégié waaw sinon sinon limay nelaw mom dafa bari <laughs> <laughs> très bien bah, je pense que nous sommes arrivés si euh, fin émission l'émission, encore une fois nous les remercier peut-être nous nous avec le dernier mot peut-être au Sénégal et tout ça. je remercie sénégalais donc euh, parce que nous sommes nous sommes Sénégal le Sénégal donc voilà si si lolo lañu nek di len ñaanal ñu bu et puis euh, bon di len def ben coucou à la famille aussi donc c'est c'est très important man sama famille moi <laughs> <laughs> donc on va di de passage et puis euh, di la noix aussi New York ñaan donc euh, voilà parce que c'est ça quoi. ok tout à fait donc euh, nous remercions remercier aussi nos partenaires évidemment l'AI 6.9 hein, pour pour la tenue donc di écrit écrit son numéro de téléphone donc il a un showroom au niveau de Scat Urban. donc pour vos tenues traditionnelles je pense que c'est très pratique Nous remercions remercier évidemment Absa Absa c'est ma sœur tout le monde le sait Lily Coiffure là aussi vous aurez le numéro euh, en bas de l'écran. Donc, euh, pour euh, ceux qui veulent, celles qui veulent être bien coiffées et donc les maris qui veulent offrir de belles perruques à leurs dames. Donc, il faut aller voir Absa et puis Orange, évidemment, qui nous a accompagnés l'année dernière et qui revient cette année. merci de votre fidélité. Encore une fois, merci à Hamza qui a la réalisation, à la caméra, au son. Vous connaissez le duo, donc euh, Hamza Mamfatu pour vous servir. Excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.